le forum du studio le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio le forum du studio kalangu le forum du studio kalangu le forum du studio le forum du studio kalangu oui, il est 18h15 au studio Kalangou. C'est l'heure du forum au micro Hamadou Moumouni. Bonsoir à tous. Studio Kalangou, nos programmes sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Berningaure, Tirozérine, Magaria, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. À la une de ce forum, la poursuite des opérations de déguerpissement des commerces anarchiquement installés dans la ville de Niamey. Tôt ce matin, c'était autour du Grand Marché, le Grand Marché dans la déventure et les alentours ont été complètement dégagés. Vous suivrez le gouverneur Hamid Garba au moment du coup d'envoi. Et puis le mot d'ordre de 72 heures de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey-Yenoun, suspendant toutes les activités académiques au niveau de l'université Abdoumoum de Niamey. yenoun exige entre autres du gouvernement le paiement de la bourse du troisième trimestre et le paiement de l'aide sociale allouée aux étudiants non boursiers. Pour plus d'explications, un instant. La recrudescence du banditisme dans la région de Maradi, dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, deux hommes ont été attaqués par des individus armés dans le village de Yaring Karma. Les bandits ont pu emporter quelques 300 000 francs CFA et 200 000 Nira. Le gouverneur Zachary Umaru, qui était sur le lieu, va nous en parler. Et vers la fin de ce forum, nous allons vous faire découvrir un jeune rappeur euh, nigérien du nom de Mamandare Moussa, alias Dare. Oui, l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, Yunun, a lancé un mot d'ordre de 72 heures suspendant toutes les activités académiques au niveau de l'université Abdoumoun de Niamey. Ce mot d'ordre intervient juste après l'expiration d'un autre qui a été lancé la semaine dernière. Les étudiants dénoncent le refus du gouvernement de payer la bourse du troisième trimestre, le paiement de l'aide sociale allouée aux étudiants non boursiers, mais également le non-respect d'autres engagements pris par le gouvernement. Tarné Foudey Ahmed s'est entretenu avec Salo Chebou, le secrétaire général de l'IENUN, la structure syndicale des étudiants. Depuis un bout de temps, nous vivons des situations délicates, des situations liées à notre académie, mais également à la situation sociale des étudiants inscrits régulièrement à l'Université de Niamey. Cet état de fait est créé par le laxisme et l'insouciance du régime en place à ne pas pouvoir prendre les revendications les plus profondes des étudiants à l'Université de Niamey. Ces revendications sont entre autres la question de la bourse du troisième trimestre devant intervenir depuis le mois de juillet, parce qu'il s'agit de la bourse des mois d'avril, mai, juin, qui devait être payée depuis le mois de juillet. À cette date encore, ça n'a pas été payé, parce qu'à mois de juillet, c'est vrai qu'il s'agissait pour nous de procéder au paiement de l'aide sociale, c'est-à-dire la subvention pour l'étude qui a été aux étudiants inscrits dans les universités publiques. Et à cette date encore, en mois de septembre, à la rentrée, n'ont pas débuté le paiement de cette euh, bourse, la troisième tranche. En plus de cela, nous avons des problèmes sociaux liés surtout à la question Prenez des infrastructures sociales, les bâtiments qui sont en chantier depuis deux ans, un bâtiment de 1200 places. Et après la pose de la première pierre, la confection des briques, rien n'a été fait, ni même la fondation, en plus forte raison de la réception. Or, on devait procéder à la réception depuis le début de l'année 2016. En cette date encore, les travaux n'ont même pas débuté. Il y a aussi les infrastructures académiques, telles que les salles de cours, les laboratoires, les amphithéâtres, qui sont en chantier depuis trois ans, quatre ans pour certains chantiers et à cette date encore, ils n'ont pas été finalisés. Et face à cela, nous avions interpellé le gouvernement, nous avons interpellé le ministère de l'Enseignement CIP pour preuve à l'heure où nous sommes. Nous avons fait un tour déjà au ministère de l'Enseignement CIP pour pouvoir nous inquérir de la situation et de l'évolution. Mais ah, c'est toujours les statu quo. Le ministre en question est en déplacement. Depuis un bout de temps, il est injoignable. Après ses vacances, il est revenu au lieu de rester pour résoudre ses problèmes. Il se met encore à s'occuper à d'autres questions folkloriques qui n'engagent en rien ou qui ne procurent aucun intérêt pour l'enseignement supérieur pour lequel aujourd'hui il a le titre du ministère. Et face à cela, nous, nous avons dit qu'il va falloir que nous soyons clairs. Nous avons lancé un mot d'ordre de, la date du 1er au 3 qui a été épuisé. Et après cela, la journée d'hier, la nuit, nous avons renouvelé le même mot d'ordre pour 72 heures, une fois de plus, pour que nous portions à la connaissance de l'opinion que la situation est plus que critique, elle est suicidaire, elle est exceptionnellement douloureuse à l'université de Niamey. Et les autorités gardent toujours un silence face à cette situation. En date du 20 juin, elle a été conclue entre l'ISN ainsi que toutes ses sections et l'État du Niger des accords de principe par rapport à la résolution d'un certain nombre de problèmes. Et jusqu'à preuve de contraire, rien n'a été fait. Les engagements qu'ils ont pris, ils n'ont respecté rien rien. Il parle de bref de le bref de le, le maximum, le maximum. Même sur la planète Mars ou Vénus, c'est 45 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de deux mois. Rien n'a été fait, rien n'a été résolu. Voilà le problème auquel nous faisons face, sans compter l'insuffisance des enseignants à l'université de Niamey, parce qu'il a été créé politiquement des universités récemment dans les quatre régions, à savoir Du La Labéry, Agadez et Dosso, qui aujourd'hui ces universités ont tout simplement absorber les enseignants dont dispose l'université de Niamey. Et pendant ce temps, au lieu de procéder à des recrutements, on continue tout simplement à nous plonger une fois de plus dans un retard profond, un retard qui en du long sur le comportement des autorités de la Septième République. Parce que depuis plus de trois ans, la ligne budgétaire devant servir au recrutement des enseignants à l'université de Niamey n'est pas alimenté, ce qui veut dire que quelque part le gouvernement n'est pas prêt à recruter des enseignants. Et aujourd'hui encore, ce qui est plus euh, frappant, bientôt, en plus de notre mouvement, nous avons le SINEX qui sera un ultimatum de grève, un ultimatum qui s'expirera le 7 euh, à partir du 7 risque d'aller en grève et le retard va davantage s'approfondir, va s'élargir. Et face à cela, nous, nous avions décidé de ne pas aller vers une rentrée politique juste pour expliquer, parce que si nous partons vers une rentrée, ils vont devoir faire une communication, faire comprendre qu'ils ont pu régler tous les problèmes, alors qu'ils n'ont rien pu résoudre et nous ne pouvons pas être complices de ces problèmes qu'ils ont créés. Ils doivent être à mesure de les gérer. Mais c'est les SG, selon vous, qu'est-ce qui bloque encore les paiements de la bourse et de l'aide sociale La bourse et l'aide sociale, c'est une mauvaise foi affichée des autorités de la 7 République parce qu'il n'y a aucune raison qui puisse justifier cet état de fait. On ne peut pas nous faire comprendre quoi que ce soit. Les discours qu'ils tiennent dans leurs journaux, les journaux qui leur sont complices et bien d'autres médias qui leur sont proches, soit disant qu'il y a une crise de trésorerie, n'est rien d'autre que des pures divagation. Parce que si véritablement il y a une crise de trésorerie, le président de la République doit s'assumer, doit faire une communication à l'endroit du peuple nigérien pour leur expliquer la crise dont nous traversons et par la même occasion profiter pour diminuer les avantages des 171 députés qui ne sont utiles que pour adopter des budgets propres à leur institution et les faire sortir, ainsi qu'à la présidence de la République et au gouvernement de revoir tout ce qu'ils ont comme avantages, de les remettre en cause de diminuer sinon à plus de la moitié leur avantage et tout ce qu'ils ont, comment avantage au niveau des différentes responsabilités qu'ils occupent. Ainsi fait, nous pouvons comprendre que oui, véritablement, il a crise de trésorerie. Pour preuve, au Tchad, aujourd'hui, le président de la République a décidé de diminuer à moitié le train de vie de son gouvernement. Mais nous, pourquoi pas nous Chez nous, au lieu de faire, c'est les contractuels qu'il faut pénaliser, c'est les étudiants qu'il faut pénaliser et bien d'autres questions. Donc, il va falloir qu'ils se ressaisissent et qu'ils tiennent le coup pour qu'ensemble nous puissions sortir de cette crise dans laquelle ils nous ont plongé des déficits économiques. Mais c'est le SG, ces mots d'ordre répétitif n'ont pas euh, une conséquence sur euh, l'académie des étudiants qui sont revenus pour reprendre les activités académiques. Oui, il peut être perçu comme étant un acte qui perturbe un peu le cours normal de l'année académique. Mais à l'heure où on le fait pour preuve, à cette date encore, nous avons des facultés, des sections qui sont en 2014-2015. Certains sont en 2015-2016. Ça veut dire que le retard y est déjà sans le mouvement des étudiants parce que les enseignants chercheurs ne sont pas disponibles pour dispenser. Un, deux, ils ont fait tous, sinon la moitié, la quasi-totalité a fait l'objet de nominations dans les différentes institutions. Ils s'absentent chroniquement et qu'ils justifient des responsabilités qu'ils ont au niveau du gouvernement. Or, il y a d'autres citoyens qui peuvent faire le même travail pour lequel ils ont été nommés. On pourrait les laisser dans leur institution scientifique répondre à la charte d'éthique et de déontologie de leur corps pour pouvoir vraiment faire en sorte que le retard n'y soit pas. Mais ils ne le font pas. Et le retard à l'origine, il vous souviendra que c'est depuis 2011, lorsque les anciens chercheurs étaient face à des revendications, partis à un mouvement de trois mois. Les étudiants ne sont pas partis à mon humble envie depuis une décennie à un mouvement de plus d'un mois. est-ce que la répétition de ces mots d'ordre est-il un meilleur moyen d'élite À l'heure où le fait, nous sommes en pourparlers et nous avions constaté le laxisme des autorités pendant ces pourparlers. Il n'y a rien de sérieux, c'est des engagements répétitifs. Inch'Allah dans cette semaine, Inch'Allah la semaine prochaine, c'est comme ça ils veulent nous entretenir et que le temps file. Il y a deux mois déjà que nous avions acquis comme retard. On ne peut pas continuer à l'observer. C'est la politique qu'ils font. Si c'est pour la politique, ils sont prêts à investir les milliards qu'ils font. Mais si c'est pour l'enseignement, ils sont incapables d'investir des milliers qu'il faut, des milliers, juste quelques centaines de milliers ou milliers de francs pour que tout aille mieux. Et de surcroît, euh, vous estimez peut-être un peu, nous, ce que ça coûte pour la bourse chez nous. Et vous comparez avec un mois de fonctionnement de l'Assemblée, vous allez vous rendre compte que ce n'est rien. Et nous, nous sommes prêts face à cela, qu'il y ait une assise universitaire pour statuer sur la situation académique et sociale de l'université du Niamey. Parce que qu'il y ait grève ou pas, nous connaissons déjà un retard. Et alors, nous lançons ce mot d'ordre pour faire comprendre à toute l'opinion nationale et internationale, comme je le disais tantôt, que la situation ne va pas du tout. Elle est au rouge à l'université de Niamey. Et pendant ce temps, nous sommes à la dernière phase. Il s'agit de mode les tout prochaines heures, dans quelques heures seulement, nous allons passer à la vitesse maximale et vous aurez de nos nouvelles. Vous avez évoqué de, passer à la vitesse supérieure. Vous comptez utiliser d'autres moyens à part euh, les médias On utilisera tous les moyens qui sont à notre portée, quel qu'en soit, pourvu que nos revendications soient satisfaites. Voilà le secrétaire général du Lyonoun, euh, Salaou Chebou, euh, au micro de notre reporter Tarnan Foudé Ahmed. Lyonoun qui exige du gouvernement le paiement de la bourse du troisième trimestre et le paiement de l'aide sociale allouée aux étudiants non boursiers. Les opérations de déguerpissement des commerces anarchiquement installés de la ville de Niamey se poursuivent la date butoir donnée par les autorités régionales aux commerçants occupant la déventure et les alentours du grand marché pour quitter les lieux, c'était hier 5 septembre. Le délai étant expiré, les autorités ont immédiatement passé à l'action la nuit dernière. Écoutons tout de suite euh, le gouverneur de la région de Niamey, Hamir Garba, au moment du lancement au micro de notre reporter, Moutari Qu'est-ce qui se passe comme vous le voyez avec nous, euh, c'est la concrétisation quand même euh, euh, de l'activité autour du grand marché. Comme nous l'avions annoncé le 20 août 2016, que le 5 septembre on suit le deadline pour les occupants des alentours du grand marché. Alors, vous voyez, on a attendu jusqu'au 5 à minuit et nous avons commencé cette opération, comme vous le voyez on a une idée de nombre de boutiques qui, sont, dégagées de cette voie-là Oui, on a une idée de cette boutique, de, de, de, de ces boutiques qui sont euh, concernées par cette question. Par cette question. Donc, euh, au niveau de la devanture, seulement nous avons 300 et quelques. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, ça tourne autour de 2000 boutiques qui sont concernées par cette opération autour du grand marché. Donc euh, vous voyez avec nous que ces occupants ont eu à engloutir même une bouche d'incendie au point où même la sécurité quand même du marché a été menacée. Vous avez également que l'effet optique qui était là, on a vu un coffre euh, qui a été également englouti par euh, les occupations anarchiques autour du Grand Marché. Donc euh, je pense que cette opération était nécessaire et c'est la raison pour laquelle nous avons quand même pris toutes nos responsabilités pour pouvoir faire cette opération-là. nous disons Dieu merci parce que vous voyez autour de nous, en tout cas tous les responsables municipaux, donc le maire central, ses adjoints, euh, les maires euh, des arrondissements communaux, euh, les forces de défense et de sécurité, les agents de nettoyage de la mairie, les cadres de la mairie, ainsi que les, agents du garage de la, ville sont tous là. J'ai dit que vraiment chapeau pour en tout cas tout ce personnel-là qui s'est mobilisé aujourd'hui pour qu'on puisse enfin permettre à la population de Niamey de souffler un peu. Je pense que pour, que, pour que je puisse m'adresser à la population de Niamey euh, dans deux jours. En tout cas, euh, elle pourra passer tranquillement autour du marché, venir au marché faire ses achats pour la fête euh, de, Tabaski. Donc voilà le cadeau que nous faisons pour eux par rapport à cette fête de Tabaski. Vous savez, une telle opération a toujours rencontré quand même des résistances. Parce que, vous savez, ces gens n'avaient que ça et pour eux, c'était la fin du monde, alors que nous, nous pensons qu'ils pouvaient bel et bien se réaliser ailleurs. Donc, ils ont essayé de résister. Mais euh, force reste à la loi. Ils ont intenté une action en justice, euh, fort malheureusement pour eux. Euh, la justice, en tout cas le tribunal du commerce, euh, les a déboutés le samedi. Euh, j'ai appris qu'ils ont encore intenté une, autre action en justice ce soir contre la Socogem. Bon, ils vont aller régler leur affaire là-bas parce que ce que je dois rappeler, après toute vérification, ces occupants n'ont aucun contrat avec la Socogem et encore moins avec la ville de Niamey. Donc c'est des occupations anarchiques. Euh, bon, je pense que euh, quelque part, je pense qu'ils vont fouiller assez soigneusement pour situer les responsabilités. Il faut qu'on arrête de, de perturber la population nigérienne. C'est une occupation provisoire et précaire. Elle ne donne lieu à aucun dédommagement. Tout ce que nous devons faire, c'est de notifier à temps, et nous l'avons fait. Chaque boutiquier a eu sa notification. Malheureusement, c'est qu'à leur niveau, ils pensaient qu'ils pouvaient arrêter cette opération et ils ont passé à perdre du temps. Alors qu'ils auraient dû très tôt, en tout cas, aller là où on leur avait dit. Parce qu'on leur avait dit que clairement qu'il y a des places dans les marchés. Ils auraient dû aller occuper ces marchés-là. Si les places disponibles dans les marchés ne pouvaient pas les prendre, ensemble ils peuvent revenir vers nous. Nous, allons, nous avons des terrains. Nous avons des terrains, certes qui ne sont pas aménagés, mais pour lesquels nous pouvons réellement avoir des solutions assez urgentes pour pouvoir les reloger. Mais eh, ils ont compté sur autre chose euh, que de compter sur la réalité qu'il qui est là en face d'eux. Donc aujourd'hui, ces choses faites, dans tous les cas, nos portes sont ouvertes, contrairement à ceux qui disent que nous voir serait la chose la plus difficile. Moi, je défie quiconque de me prouver que les portes du gouvernement sont fermées ou bien les portes de la mairie. Vous partez à la mairie de, Niamey, vous allez, vous allez penser que vous êtes au petit marché. Voilà le gouverneur de la région de Niamey, tôt ce matin au grand marché de Niamey. Euh, par rapport aux opérations de déguerpissement euh, sur les commerces euh, anarchiquement installés. Donc ce matin, c'était le tour du grand marché. À 18h32 minutes, un mot de politique pour écouter cette réaction relative à la création de la coalition de l'opposition dénommée Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR. La réaction émane du président du modèle Maïkata, Taïri Kimba. Modèle Maïkata est un parti non affilié qui a présenté la candidature de son président aux dernières élections présidentielles. Pour Taïri Kimba, la création du FRDDR est un non-événement. Tout parti politique est souverain. Et je pense que, en euh, âme et conscience, ils savent ce qu'ils ont fait comme décision et nous la respectons, nous nous inclinons devant leur choix. C'est une des raisons essentielles qui a poussé un parti comme le nôtre, candidat au présidentiel de 2016, à se démarquer des deux camps. Parce que seuls ces acteurs politiques de 25 ans là, eux seuls ont les clés de ce qu'ils prennent comme décision. Mais nous apprécions ça à sa juste valeur. Nous respectons le choix du MNSD. Euh, il est souverain. Et nous souhaitons, si c'est réellement pour servir le pays, si c'est pas pour se servir, encore qu'eux aussi qu'ils partent pour allonger la liste, c'est une bonne chose. Mais si c'est pour se servir, je pense qu'il n'y a pas grand chose à partager. Il reste pas grand chose. Peut-être ça fera peut-être plus de mécontents. Mais bon, on verra. L'histoire nous dira. Et demain nous dira, l'avenir nous dira de quoi ça sera fait. Mais s'ils vont réellement, parce que nous savons que le MDC regorge de beaucoup de cadres compétents de ressources humaines de grande valeur, bon, s'ils vont pour réellement aider à remettre l'UNICEF sur les rails, tant mieux. Mais s'ils vont pour faire la même danse que les autres, j'ai dit, bon, euh, là c'est la catastrophe. Tarugimba, vous-même, vous êtes un ancien classique euh, du MNCD Nassara. Quelles sont les conséquences du ce pour le MNCD Bon, il peut avoir peut-être, on peut dire, de deux sortes. C'est-à-dire que le MNCD est fondamentalement, que j'ai connu moi en tout cas, différent du Pendès. Au fait, toute la problématique qui se pose à la classe politique, c'est ses alliances contre nature. Le PNDS est fondamentalement socialiste. Ce n'est un secret pour personne. Le MDSD est tout sauf socialistes. Même s'ils font de la social-démocratie, mais c'est des libéraux, tout le monde sait. Bon, mais maintenant, c'est vrai que même le PNDS est devenu un parti libéral, parce que de la pratique, le socialisme, tout le monde a mis ça au placard. Euh, on a oublié. Peut-être ça, si c'est sur ce point de vue qu'ils vont s'entendre. Mais sinon, quand même, moi, pour moi, le MNSD et le PNDS, c'est comme le jour et la nuit. Pour l'idéologie politique des deux n'est pas compatible. Et vous avez bien vu, quand il y a eu une alliance CDS-MNSD de 10 ans, le pays était stable parce qu'ils avaient plus ou moins les mêmes approches et ils avaient une idéologie de la social-démocratie plus ou moins, ça se mariait, c'était cohérent. Mais quand vous prenez des socialistes purs et durs et des capitalistes purs et durs, bon, heureusement que le PNDES se reconvertit aussi, ils sont devenus également des hyper-capitalistes, donc je pense que peut-être que ça peut aller, mais il y a toujours un mais, parce que c'est deux conceptions différentes de la société. Est-ce que sur l'aliment du de Nassara peut avoir des conséquences au niveau de l'opposition politique nigérienne Oh, je ne pense pas, parce que l'opposition politique, on l'a vu, ils sont inconséquents quand ils étaient ensemble, parce qu'il y avait des grands éléphants qui constituaient euh, cette opposition. Tout le monde a été ou ministre ou président de l'Assemblée ou président de la République. Donc c'était un peu difficile la cohabitation. Ça sautait à l'œil qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes, au niveau de la COPA, aller ensemble. Ok Donc je pense qu'au niveau de l'opposition, il y a une nouvelle approche qu'il faille donner un nouveau dynamisme qu'il faut insuffler peut-être à ce qui reste de l'ancienne COPA comme opposition, parce que il n'y a pas d'influence. On savait que tôt ou tard, la COPA n'allait pas marcher, puisque voilà des gens qui recusaient une cour constitutionnelle, qui recusaient la CENI, qui recusaient ceci. Et le lendemain des élections, ils transmettent la liste des soi-disant leurs élus à la même cour qu'ils contestaient pour validation. Donc ça veut dire qu'on est très mal parti. Vous parlez de l'ancienne COPA. La COPA n'existe plus. C'est le nouveau euh, FDDR qui a été mis en place avant-hier. Euh, que pensez-vous de ce nouveau cadre de lutte pour l'opposition politique nigérienne Pour moi, vraiment, du fond de cœur, je pense que c'est un non-événement. Parce que, écoutez, depuis 25 ans, hein, on a créé des FDDR, des RDR, des RD. On a tout créé, on a tout essayé. Mais les vrais problèmes qui minent le Niger, tout le monde les occulte sciemment. Parce que euh, remettre le Niger sur les rails super faut d'abord arrêter cette constitution qu'on s'est donnée qui n'est pas adaptée à nos réalités socioculturelles. Le semi-présidentiel, c'est un truc de chantage, de marchandage à longueur de journée. On ne travaille pas, on ne fait plus que marchander les postes, marchander les marchés. Mais voulez-vous qu'on développe un pays comment Un pays peut s'en sortir comment Donc, que ce soit FR quoi, quoi, quoi, qu'on met 10 DRR dedans, ou 11 RR dedans, MRN quoi, quoi, tout ça là, c'est du théâtre. Je pense que vraiment, l'opposition a raté vous pensez que c'est du théâtre parce qu'il n'y avait pas Sissé, il n'y avait pas Mahmoud Ousmane à la déclaration Non, ça n'a rien à voir sur le contenu. C'est les mêmes visages. Demain matin, on est bleu, après on est rouge, après on est jaune, après on est vert. C'est toujours la même chose depuis 25 ans. Et ça, les Nigériens en ont assez. Écoutez, les vrais problèmes du Niger sont ailleurs. Nous pensons aujourd'hui, nous, que ceux qui gouvernent le font mal, ceux qui s'opposent le font mal. Donc, il y a un reliquat de l'opposition qui s'appelle FR on respecte également leur choix et on va les voir à l'œuvre. Mais une opposition doit au moins être constructive mais là, ils ont créé un front. Donc, c'est peut-être la connotation est différente d'une opposition classique comme la COPA. Maintenant, un front, quand on crée un front, on sait ce que c'est un front. Ça n'a rien à voir avec une coalition. Un front, c'est autre chose. Donc, est-ce que ils ont les capacités, les moyens, les ressources humaines capables de tenir un front? Parce qu'un front, ça veut dire que tu es en position de guerre. On ne le souhaite pas, mais on ne sait pas que la lutte donc sera un peu plus déterminante. On verra bien. Mais on a vu par le passé, les RD, les FDDR, les RD, quoi, quoi. Il n'y a pas ce qu'on a n'a pas recomposé. Mais quand vous regardez et la majorité et l'opposition actuelle, mais c'est toujours un mélange affreux. Des gens qui ne partagent pas les mêmes idéologies, qui n'ont pas les mêmes concepts politiques et de développement, ils se disent on est ensemble de l'opposition, on est ensemble de la majorité. Moi j'ai dit c'est ça qu'il, à ça qu'il faut arrêter. Est-ce que l'absence de Mohamed Moussoumane et même euh, Amadou Boubacar c'est de l'idée Tabat peut expliquer quelque chose Non, je pense que c'est un problème de temps. Peut-être qu'ils rejoindront l'un ou l'autre camp ou ils vont nous retrouver au, dans le nom de la parce qu'il n'y a que de manière archaïque, on a dit, il y a ceux qui gouvernent, donc c'est la majorité, il y a ceux qui s'opposent, c'est l'opposition, il y a ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, c'est les non-affiliés. Je pense qu'il y a de la place. Les non-affiliés, en tout cas, nous, ceux qui veulent venir, bon, on les attend. Mais nous avons une, une autre approche vraiment c'est qu'il faut reprendre le schéma politique nigérien dans son intégralité. Le nouveau front, son président, c'est Hama Amadou, le chef de file de l'opposition, qui n'est pas au pays. Est-ce que ça peut changer concrètement quelque chose bah, écoutez, je pense que c'est à lui qu'il faut poser cette question. Il est déjà chef de l'opposition, il est président de ce front. Bon, je pense qu'il veut peut-être certainement, je ne suis pas dans ses secrets, mais je pense qu'il est en train de prendre un habillage, une forme pour réellement mener la lutte qu'il entendait mener sur le plan politique. Mais tout ça là, moi j'ai dit, Arrêtons-nous un seul instant, l'ensemble de la classe politique, pour sauver réellement le Niger. Du kamekame, du colmatage, je pense qu'il faut arrêter. Comment ça pour sauver le Niger Comment est-ce qu'ils peuvent s'entendre faisons une espèce d'un point national d'une heure de temps. Pas à faire une conférence de 100 jours ou de 10 jours, ça ne vous intéresse pas, conférence souveraine. Mais vous avez bien vu ce qui s'est dit à la conférence nationale souveraine. Aucun acte de la conférence souveraine n'a été appliqué par qui que ce soit depuis 25 ans. Donc c'est de l'heure. Il est grand temps maintenant qu'on s'asseye, qu'on se regarde en face, les uns et les autres, et qu'on dise qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sauver et mettre le Niger sur les rails. Parce que chacun des camps a fait des aveux à l'occasion de l'aliment du MNCD. Ceux qui ont le pouvoir, ils disent, ah, on a des difficultés, ça là, si on rassemble pas tout le monde, ça va pas marcher. Et nous avons souvenance. À son temps, quand j'ai été au pouvoir, on les a conviés à un gouvernement du national justement dans le même cadre. Ils avaient refusé à l'époque. Ils ont dit que c'est antidémocratique. Mais maintenant, c'est démocratique. Donc vraiment, moi je crois que ce jeu de ping-pong, ce truc théâtral, il faut qu'on l'arrête et qu'on s'assied. Et je pense que le chef de l'État qui est en place doit avoir ce souci. Parce que dans tous les cas, on n'est pas éternellement chef d'État. Il y a un mandat, un jour ça va s'arrêter. Mais je crois qu'en partant, son excellence président de la République Mohamed, doit avoir à l'esprit dans quel état je dois laisser le Niger à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Et je pense que quand on passe à ça, la politique politicienne, on en a assez fait, il faut se remettre au travail dans un cadre plus serein, avec un gouvernement vraiment qui corresponde à la capacité réellement financière du pays. Avec euh, tout ce qu'on appelle les institutions accessoires, il faut les, balayer pour faire face aux problèmes de l'éducation, de la santé, la sécurité, la défense. On a vu ce qui s'est passé à Bosso. Donc tous les piliers qui font un État sont par terre. Tous les clignotants sont au rouge vif. Je pense qu'il est grand temps, si tel est qu'il fallait un deuxième mandat et s'est réinstaller, bon, il est grand temps qu'il prenne son courage à demain pour appeler l'ensemble des forces vives de la nation. Mais pourquoi votre parti, modèle Maïkata, n'a pas souhaité répondre à la main tendue du président Issoufou Écoutez, il faut toujours savoir d'où on vient, où on est, où on va. Moi, j'ai participé au régime de Tanja, dix ans. Et j'ai décrit certaines choses là-bas quand j'y étais. Tout le monde le savait. J'étais renovateur, fondateur. J'ai participé à l'animation de tous les courants pour amener même nos camarades du MNCD à rester sur le chemin du père fondateur du MNCD qui est général Sénikounché. Mais peu de gens écoutaient. Ce qui intéressait, c'est comment amasser les richesses. C'était la même danse. J'ai partagé, je suis co-auteur des réussites ou des échecs du premier mandat de Mohamed Issou. Donc 5 ans, ça fait 15 ans. Mais écoutez, j'ai tiré les leçons. On a tiré les leçons. Le chef d'État le sait. On lui a dit de vivre. Et nous pensons honnêtement qu'il faut s'arrêter et faire le bilan de ces 15 ans de gestion. Les 10 ans de temps, les 5 ans de Yusuf. Figurez-vous, en 25 ans, on est pratiquement à 5 coups d'État. Deux civils, trois militaires, donc suivis de morts d'hommes. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est du théâtre. Est-ce que demain, on peut s'attendre à un ralliement de Mohamed Ousmane ou bien de Amadou Bokar Sissé de l'UDA Tabat à la majorité présidentielle Écoutez, moi, rien ne me surprend de la classe politique nigérienne issue de la conférence nationale. Parce que tous les problèmes sont partis de là. C'est l'échec patent de la conférence nationale qui continue à régenter le Nigérien. Et personne n'a le courage de dire on est sur la mauvaise route, on fait fausse route. Moi j'avais dit que si j'étais élu, six mois après j'appelais les Nigériens à un référendum pour balayer de revers la main tout ce dispositif. Parce que ça retarde un pays. Comment voulez-vous prendre une robe qui correspond à quelqu'un qui a 200 kilos, vous vous avez 50. Et pour dire que c'est ça votre chemise, ça ne marchera pas. Il faut donc qu'on revienne sur terre, on n'a rien contre nous contre personne, on ne de pas Au contraire, mais on a besoin d'hommes et de femmes réellement décidés à remettre l'Indien sur les rails. Monsieur le Président, on vous remercie. Merci. Voilà, vous venez de suivre l'analyse du président du parti Model Maïkta, Taïro Djimba, sur la création d'une nouvelle coalition de l'opposition appelée Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR. Allons à Maradi pour dire que dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, deux hommes ont, attaqué, euh, ont été attaqués par des individus armés dans le village de Garinkarma, dans la commune de Tchadoua. Les bandits ont pu emporter la somme de 300 000 francs CFA et 200 000 Nera. Le gouverneur Zakari Oumarou était sur le lieu de l'attaque. Il explique au micro de notre correspondant dans la région, Mohamed Maman, euh, cette affaire. Effectivement, nous étions dans le département de Gazawa, précisément à Garin Karma dans la commune de Tchadwa, suite euh, à une information reçue la veille. Euh, l'information en fait faisait état d'une attaque à main armée dans le village euh, que je citais tantôt, donc le village de Garinkarma, Karma, où un opérateur économique a été réveillé nuitamment, ligoté, il a été dépouillé de ses ressources financières et euh, après quoi il a été plié de conduire les malfaiteurs, les, mal, les malfrats dans un autre domicile, c'est-à-dire le domicile de son grand frère. Il s'agit de neuf personnes euh, venues à moto, trois motos donc euh, armées de fusils AK-47 qui ont donc perpétré euh, n'est-ce pas, ce, crime. Fort heureusement, Dieu ne leur a pas donné, n'est-ce pas, la chance d'intenter à la vie des personnes. Ils ont juste euh, pris de, de l'argent, des sommes importantes. Alors, euh, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Depuis un certain nombre, depuis quelques mois, nous sommes confrontés à ce genre d'attaque tout le long de la frontière. Il s'agit particulièrement de la zone de Madarunfa, la zone de Gazawa et Agé est un peu une partie du département de Guédaromji. C'est toute la bande sud de notre région. Le type euh, d'actes que commettent euh, en fait ces malfaiteurs, dans la zone de Madarumfa, c'est le vol de bétail. Dans la zone d'Agé Gazawa, c'est le vol d'argent. En fait, ils prennent de l'argent, ils attaquent les opérateurs économiques. Tandis que à c'est les éleveurs qui sont attaqués mais le, mode opératoire euh, est pratiquement le même. Les gens, ils viennent du, de chez nos voisins, ils commettent les actes et ils retournent avec le butin, ou c'est de l'argent, ou c'est des animaux. Mais il faut reconnaître qu'ils le font toujours avec la complicité des Nigériens. Toujours. Tous les actes commis sont faits avec la complicité des Nigériens, des autochtones. Parce que euh, imaginez quand on vient chez quelqu'un, on le prend, on le ligote et les malfrats lui demandent de les conduire chez son grand frère Intel. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont venus avec toutes les informations concernant la famille attaquée. Et ils ne vont pas chez n'importe qui. Ils vont chez des opérateurs économiques ou des monnayeurs ou des revendeurs. Ceux qui vont, ils, ils vendent des animaux ou des marchandises, ils reviennent. C'est une situation assez récurrente qui nous préoccupe beaucoup. Dans la zone de Madaronfa, nous avons pris un certain nombre de dispositions, notamment euh, dans la zone de Babarafi, la zone boisée de Rafi. Nous avons constaté une amélioration. Mais compte tenu de ce qui est en train de se passer, les rapports qui nous parviennent, nous sommes en train de prendre des mesures vraiment pour déclarer la guerre ces malfaiteurs. Monsieur le gouverneur, depuis que vous êtes arrivé à Maradi, euh, vous avez dit que euh, l'une de vos priorités aujourd'hui, c'est de mettre fin au banditisme armé constaté tout le long euh, de notre frontière. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mécanisme est, mis en place La zone la plus concernée, c'est la zone de Babarafi dans le département de Madarouf, précisément dans le canton de, ou la commune de Gabi. Alors, il y a eu une amélioration parce que nous avons pris un certain nombre de mesures en réhabilitant la patrie, n'est-ce pas, de la patrie sous bois de Baba Rafi. Mais nous avons constaté que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que euh, tout simplement, ceux qui le font, ils le font avec la complicité des locaux. Nous sommes en train de prendre des mesures pour démasquer donc tous les complices. C'est ça une des mesures, en tout cas, nous allons beaucoup mettre euh, l'accent euh, sur les renseignements et nous allons nous donner les moyens de débusquer tous ceux qui sont de connivence avec les malfaiteurs qui viennent d'ailleurs. Ce qui concerne l'autre côté de la frontière aussi, aujourd'hui nous sommes en possession de toutes les statistiques, les données statistiques liées, n'est-ce pas, à ce banditisme armé le long de la frontière. Nous avons partagé ces informations avec nos collègues de l'autre côté qui sont aussi soucieux de la quiétude sociale de, de leur population et de leurs voisins. Donc euh, nous allons communaliser nos moyens et nos, nos informations pour vraiment venir à bout de ce banditisme armé le long de la frontière. Le nouveau central en a pris conscience, et est informé de la situation et nous avons été instruits pour que toutes les mesures idoines, en tout cas, soient prises pour mettre fin à cette situation qui sévit dans le sud de la région de Maradi. Est-ce que vous avez euh, un appel à lancer à l'endroit de population pour euh, qu'ils vous soutiennent dans, dans votre combat Oui, l'appel que j'ai lancé à la population, c'est il faut qu'elle se réveille. On ne peut pas comprendre que dans un village où il y a une jeunesse qui est là dont nous connaissons aujourd'hui la détermination pour se protéger, que cette jeunesse, n'est-ce pas, soit là et observe qu'un ou deux individus viennent souvent avec des armes blanches pour dévaliser tous ceux qui détiennent quelque chose dans le village et retourner comme, euh, disons, une simple promenade de santé dans le village. Alors, nous, nous appelons la population à se réveiller. Il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle prête main forte à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui sont en train de sillonner ces zones-là nuit et jour les, patrouilles mixtes font tout ce qu'elles peuvent, mais elles sont souvent victimes de la complicité des personnes qui connaissent le mouvement de la patrouille et qui le portent à la connaissance des malfaiteurs. Notre plus grande préoccupation aujourd'hui, l'aspect sur lequel nous allons mettre l'accent, c'est de démasquer ces complices et nous avons les moyens de le faire, nous allons le faire, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Voilà, le gouverneur euh, Zachary Oumarou sur euh, l'insécurité dans la région de Maradi. Allons maintenant à la découverte de ce jeune artiste, un jeune rappeur nigérien du nom de Mamandare, alias Dare, ce jeune a intégré le mouvement rap depuis 2005, une carrière musicale qu'il entend poursuivre. Le rappeur d'arrêt est interrogé par notre reporter Roukayatou Abdraman. De nos jours, Alhamdulillah, la musique nigérienne commence à grimper. Certains de nos frères aujourd'hui représentent bien le Niger à l'échelle internationale. Ça évolue, on n'est pas toujours euh, dans la même situation, ce qui explique euh, que vraiment euh, le hip-hop nigérien est en train vraiment d'évoluer. Monsieur Daré, quel est votre genre musical J'ai fait du hip-hop. Et qu'est-ce que le rap selon vous Le rap, c'est un moyen par lequel on peut sensibiliser, on peut éduquer, on peut aussi assurer la distraction. Parlez-nous de vos premiers pas dans le domaine de la musique J'avais débuté en 2005. La musique, c'était pour moi une passion. Je suis un jeune Nigérien et donc euh, pour moi, faire la musique, faire le hip-hop, c'était pour moi un canal par lequel je peux dire ce que reflète la société. Je peux vraiment parler de tout ce qui me tient au cœur. Donc voilà ce qui m'a poussé à embrasser cette carrière rapologique, à commencer à rapper parce que en rappant, j'ai le micro ouvert, je peux vraiment écrire des textes censés, histoire de dire ce que reflète la société et il s'attendent à un changement. En 2006 déjà, j'ai assisté à un concours organisé par le studio Flow et l'association Fofo, un, concours de clash hip-hop et organisé aussi CFN Jean Rouge. J'étais parmi déjà les lauréats juste après ça aussi, ça m'a permis de sortir un premier single. Après ça, on avait aussi participé avec un partenaire, un ami d'enfance avec lequel on a formé un groupe NGB Nagobe à l'époque. On avait assisté au concours Scène ouverte euh, à l'époque, euh, le CCFN organisait aussi un concours permettant à tous les artistes jeunes qui n'ont pas d'album pour qu'ils puissent enregistrer un album. Le CCFN organisait ce concours à l'époque. Donc on avait participé. À l'époque, on était demi-finaliste. Ça nous a aussi un peu aidé vu que j'ai fait la musique en même temps j'ai fait les études. Juste après ce concours-là, j'ai laissé un peu la musique pour raison d'études. Et donc euh, maintenant, je suis revenu vraiment dans la musique à fond. Et à persévère vraiment. Actuellement, j'ai un album qui est au complet que je prévoir présenter le lendemain de la fête de Tabaski à la maison des jeunes de Sekou quand il fera 20 h histoire de lancer mon appel à toutes les bonnes volontés d'effectuer le déplacement pour venir voir vraiment cet événement que j'ai organisé, que je veux leur présenter. Un événement qui est placé sous un thème contribution de l'artiste pour un changement de mentalité. Un album intitulé aussi Rap Conscient. Donc euh, en entendant Rap Conscient, il faut venir seulement pour voir ce que nous voulons dire du rap conscient. J'ai clips clip sur les médias déjà et euh, dernier clip qui fait tapage. Je ne me jette pas des fleurs. C'est pour permettre à ces gens-là qui m'aiment, à ceux-là même qui me kiffent, d'entendre l'intégralité de ce que j'ai prépare parce que je n'ai lancé que quelques cinq sons et l'album est composé de 12 titres. Il y a 7 sons inconnus. Donc le jour de la présentation de cet album c'est l'occasion pour euh, mes fans de voir les autres sons là qu'ils n'ont pas encore entendus. Si les gens ont entendu Ma que j'ai chanté pour les mamans, ils ont aimé, ils ont entendu Tobey. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore entendu donc euh, histoire de leur permettre d'écouter et de me dire que voilà, et vraiment l'album est bon, ou bien il y a des sons qu'il faut arranger, il y a des sons et qu'il faut amener des corrections, dont les thèmes ont besoin d'un changement, histoire de retaper encore. Maintenant, faire le vernissage, mettre le CD à la disposition de ces gens. Monsieur Daré, à part la musique, que faites-vous dans la vie active À part la musique, euh, je suis animateur alternative FM, je suis journaliste en formation alternative euh, FM. Je aussi. J'ai fait aussi la production audiovisuelle, ça c'est la reproduction. J'ai fait aussi les études en parallèle. Comment arrivez-vous à combiner toutes ces activités Je m'organise. Il y a l'heure du hip-hop, il y a le moment où je pars à l'école, il y a les moments de révision, il y a aussi les moments de venir aussi à la radio faire le travail. Quelles sont les difficultés euh, qui vous empêchent de vous épanouir euh, normalement dans ce domaine musical il y a un peu de difficultés, mais bon, quand tu me tiens le cap, quand on veut, on peut. Parfois, tu es appelé soudain pour aller faire des prestations ou aller dans, dans des affaires de la musique, disons, au studio, et que tu es au boulot. Et que le boulot, là, tu vois, tu ne peux pas laisser pour aller Donc, il y a un peu ces petits problèmes. Sinon, côté famille, je n'ai aucun problème et la famille est fière de ce que je fais. Est-ce à dire que vous l'avez hérité? J'ai pas hérité la musique. C'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça et je dis bon, je vais faire la musique. L'artiste nigérien doit être cet artiste qui doit parler vraiment des problèmes qu'il vit dans sa société. Tant que jeune qui a étudié et qui vit ici au Niger, qui voit les réalités des choses. Donc à travers ma musique que je peux dénoncer, je peux parler de beaucoup de choses et je peux toucher ma cible. Quand on lance ma musique sur une radio ou bien sur une télévision, les trois minutes là, les messages que j'ai conçus dans ces singles pour lancer vont toucher beaucoup de gens parce que on vit dans une société où les gens sont trop accrochés sur le net, sur les médias aussi. La musique vraiment me permet de tirer haut ce que beaucoup disent très bas. Avez-vous un appui des gens qui vous aident à vous épanouir dans ce sens Au Niger, ah, il n'y en a toujours pas d'appui. Je n'ai que l'appui familial qui vraiment m'aide. Les médias aussi qui diffusent nos œuvres. Quand on réalise, on amène chez les médias, ils vont diffuser nos œuvres. À part ça, pas de l'aide de l'État, pas de l'aide venant de part ou d'autre. On réalise des bonnes œuvres, on fait du rap conscient, on sensibilise. Monsieur Daré, est-ce qu'on peut avoir un acapella d'un son qui vous a tient à cœur halanan ko ina ɗo an ɗimi mi ma, o o o ɗo dogo ɓernama ce ka mi saura a rayuwa kenan da ce hala bada ba ni mantawa o o o tunda na rasa wa uwa u Ina na ta damuwa wa uwa Oh maman, ne t'inquiète pas, même si tu sais que jamais papa ne reviendra. Une chose est claire, tes enfants sont là. Imuna fata kaka aduniya. Insha Allah, zaki hutawa, fata na Allah baki tsoho na rayuwa. Zite arzakane gin katabo kulura. Aikin te seza zangtrera aisin gin bana. Pour ça, je décide de chanter pour toi. Sakani mata voilà, vous venez de suivre le jeune rappeur Dari Moussa alias Dare. il était entré dans le mouvement rap en 2005. il raconte son histoire à notre reporter Rukayatou Abdraman. Euh, pour le reste, sachez que nous avons parlé de la poursuite des opérations de déguerpissement des commerces anarchiquement installés dans la ville de Niamey tôt ce matin, c'était autour du Grand Marché, le Grand Marché dont la déventure et les alentours ont été complètement dégagés. Et puis, le mot d'ordre de 72 heures de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, Yenoun, un mot d'ordre qui demande la suspension de toutes les activités académiques au niveau de l'université de Niamey. L'Union exige entre autres du gouvernement le paiement de la bourse du troisième trimestre et le paiement de l'aide sociale allouée aux étudiants non boursiers. Nous avons aussi parlé de la recrudescence euh, du banditisme dans la région de Maradi. Rien que dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, deux hommes ont été attaqués par des individus armés dans le village de Garinkarma. Les bandits ont pu emporter quelques 300 000 francs CFA et 200 000 Nera. Voilà pour l'essentiel. Euh, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour ce forum de ce mardi 6 septembre 2016. Nous nous retrouvons demain à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonne soirée.